la référence. Alfaïda FM 90.1 En direct du studio Alun Mamar Alilo depuis l'immeuble cher Imam Hassan c'est dans la cité religieuse de Medina Bay. Alfaïda FM, la référence, une fois n'est pas coutume, le journal, tout de suite les titres. Cherté de la vie avec l'augmentation généralisée des prix. À Kaulak, l'appel des populations pour un changement qui va positivement impacter sur leur quotidien. Pendant ce temps, les jeunes, quant à eux, décrivent une situation qui entrave sérieusement leur projet d'entreprise. Marché central de Kaulak, la mairie met en œuvre une opération de désencombrement de la voie publique et suscite la colère des tabliers et autres marchands ambulants qui dénoncent ce qu'ils considèrent comme du sabotage en cette veille de la Tabaski. Vous les entendrez et ce sera dès le début de ce JP. De Lingara à quelques jours de la Tabaski, les moutons disponibles sur le marché. Mais l'absence des clients qui se font désirer suscite l'inquiétude des vendeurs Témoignage au courant de ce JP. Du coronavirus au Sénégal, le communiqué du jour a fait état 2366 nouveaux tests positifs, dont 925 issus de la transmission communautaire. Hormis Dakar, 33 localités du pays concerné, dont Thiès 41, 12 à Touba, 7 à Kaulaka. Voilà pour le sommaire à la technique El Haji Libas Mbaye. Restez avec nous tout de suite le développement. Le journal Nefa Sissi. Je vous le disais il y a tantôt, décrépit hier lors d'une opération par les forces de l'ordre les tabliers installés le long de la route euh, principale du marché central de Kaolak pointent du doigt la mairie et sollicitent la compréhension des autorités. En cette veille de la Tabaski, reportage signé Chertian Sar. Ils ne comptent pas bouger d'un iota les commerçants et tabliers de Kaolak après leur déguerpissement malgré l'interdiction des autorités municipales. Ils refusent, disent-ils. Marchand de xam ne dañoo àndandoo ngir di daan suñu doole fii ci marché central bu Kaolack mais dañoo dem ba événement jot lu toll ne tabaski ñu xëy un bon jour mairie ñëw ne ñu bis ni ki tey da ngeen fi jógee dem. À quelques jours de la fête de tabaski ces tabliers demandent plus de compréhension aux autorités car ils ont déjà fait des prêts au niveau des banques et les dépenses de la tabaski leur seul gagne-pain reste leur table. Madame la maire maa ngi lay woo sa njaboot a monsieur le préfet monsieur le commissaire maa ngi lay woo sa njaboot a ay nit lañ yoo xam ne ay responsable lañ góor ak jigéen ñëpp ku ci nekk responsable nga ci sa kër di wut dépense ak loo xam ne nii moom nga war a defaree sa tabaski ñu ngi leen di woo ci yërmande ñu ngi leen di woo ci jàppandal. à peine déguerpie avec la saisie de leur bagages ces femmes crient au secours à madame le maire maria massar ay bari jaamu lañ cër war koo fay ñu ngi ñaan ndimbal ngir yàlla yónnante bi jëm Serigne Bamba ñu may ñu Le reportage de Chertidiane Sar euh, et du marché central de Kaulak. Nous voilà à Velingara où à quelques jours de la tabaski, les moutons sont disponibles. Mais les clients, je vous le disais, tantôt se font désirer. C'est selon le témoignage de ce vendeur du nom de Arun Diallo qui s'exprime ici au micro de notre correspondant Babakar Diouf. Pour le tabaski, il y a les moutons. Chaque personne doit connaître le numéro. Tous les moutons, il y en a. Il y a à partir de 150 jusqu'à 60. Il y a 60 jusqu'à 150. Pour les moment, quand même, les marchés, il n'a pas marché comme avant. Parce qu'avant, on part des voyages, trois voyages. Aujourd'hui, on est venu un jour, ce n'est pas meilleur retour. Il n'y a pas de clients. Parce que ici, c'est le daral de département. Nous, on part pour amener pour les daral, pour les Velingara. Pour tous les clients de Vilingara, on quitte ici. On part assez l'autre loum. Nous, on est venu vendre pour les villingara. On n'est pas venu vendre l'autre dia. Quand pour les mamas, on est venu jusqu'à. C'est les dia qui passent, qui assistent. Ce n'est pas les dia qui Vilingara qui deviennent acheter on ne connaît pas, qu'est-ce qui se passe Vous suivez, vous suivez le journal, le journal sur euh, les zones de la référence euh, cherté de la vie avec euh, l'augmentation généralisée des prix. À Kaolak, l'appel des populations pour un changement qui va impacter positivement sur leur quotidien. Reportage signé Chertiane Diagne. Elles sont en train de vivre une situation difficile due à l'augmentation des prix du ciment, fer et les denrées alimentaires. Les populations de la commune de Kaulak fustigent l'attitude des autorités. Cher Kandji, père de famille rencontré

d'après Cheikh Tidiane le président du conseil communal de la jeunesse de Kaolack. ba léegi gis nañ ni affaire yi mu ngi aussi est-ce que état tey par la main droite manam Fon Covid bi jàppale nit ñi maye ceeb maye courant nit ñi bañ fay courant joxe ay aide est-ce que newul lañ bëgg récupérer si am jarul woon ñu def parce que joxe sa loxo ndeyjoor jëlee sa loxo fajul dara dimbalewul askan wi. le chef service du commerce, Mamadou Kamara, rassure. on essaie de voir quels sont les mécanismes à faire pour que le prix puisse revenir à la normale. Vous avez parlé du fer, qui est aussi un matériel de construction. Ce sont les intrants qui entrent dans la construction du fer, qui ont connu des hausses extraordinaires au niveau international. Alors, nous sommes dans un contexte particulier. Même pour certains produits qui n'ont pas subi d'augmentation au niveau international, il y a une disponibilité des navires et des conteneurs. Donc, c'est une situation compliquée, mais au niveau du Sénégal, le gouvernement a baissé la TVA de 18 à 6 Les populations de la région de Kaulak interpellent l'État du Sénégal à baisser les prix les prix dont la hausse constitue une réelle entrave pour les jeunes qui veulent entreprendre Soutien pour sa part le président du conseil communal de la jeunesse de Kaulak, Cherti Sen, que nous écoutons au micro de Cherti Diagne. On constate à ces temps vraiment une augmentation des denrées de première nécessité, mais aussi d'autres prix ont augmenté au niveau du ciment, au niveau du fer, au niveau vraiment de beaucoup de denrées. Et euh, ça, on ne le souhaite pas parce qu'en tant que des Sénégalais, en tant que des jeunes qui veulent euh, s'investir, qui veulent construire, qui veulent aider des responsables qui n'ont pas vraiment de travail, si on augmente certains prix, ça pose problème et euh, ça peut rendre la vie plus difficile. Donc l'État doit faire beaucoup d'efforts pour diminuer davantage ces prix, mais aussi pour subventionner certaines denrées, certains éléments pour qu'ils puissent faciliter les Sénégalais la vie. Parce qu'actuellement, c'est très dur. La Covid est toujours là. Et qui dit Covid dit crise économique. Qui dit Covid dit crise sanitaire. Qui dit Covid dit crise sociale. Donc l'État doit davantage soutenir les Sénégalais, donner la jeunesse l'avantage et la confiance de vivre et de pouvoir satisfaire leurs besoins et de pouvoir satisfaire les besoins des familles des familles. Et c'est dans cette optique que s'inscrit la rencontre tenue hier à Dakar par le ministère du Commerce avec les différents chefs de services régionaux. Les détails, c'est dans ces propos de Momodo Kamara, chef du service régional du commerce de Kaulak. C'est une rencontre bimensionnelle hein, que le ministère organise avec les associations de consommateurs pour pouvoir parler du marché, pour pouvoir parler du niveau des prix. On a aussi euh, profité de cette occasion pour parler des situations compliquées là que nous vivons actuellement. Donc, expliquer par exemple les raisons et les mesures que le gouvernement est en train de prendre, vraiment avec euh, toutes les associations de consommateurs. Donc, c'est une rencontre bimensuelle. Et on en a profité aussi pour parler de l'approvisionnement à l'approche de cette fête de Tabaski. Et vraiment, pour ce qui est de l'approvisionnement, surtout en oignons et pommes de terre, le marché est bien approvisionné, les prix sont ça. Pour l'oignon et la pomme de terre, cette année, on a eu un record de production au Sénégal. On a même eu quelques difficultés dans la commercialisation, mais je crois que la parce que même sera une aubaine pour les producteurs pour pouvoir évoluer leur production. On a eu le coût de l'huile sur le plan mondial à augmenter. Nous, au Sénégal, on consomme plus l'huile de palme qui nous vient de la Malaisie et de l'Indonésie. Et sur ces marchés-là, le prix avait augmenté. Donc, c'est cette situation-là qui avait fait que le prix de l'huile avait augmenté aussi au niveau du marché sénégalais. Mais depuis quelques temps, quand même, la situation s'est améliorée un peu parce que durant le début de l'année, on a acheté jusqu'à 22 000 habitants de Mali. Et depuis quelques temps, le maximum, c'est 20 000 francs. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alpha FM 90.1. 90.1 direction le Grand Théâtre doudinjaï Rose où le chef de l'État Macky Sall procédait jeudi à la remise officielle de matériel agricole à l'ensemble des producteurs du pays. À l'occasion, le président de la République qui est revenu sur les efforts de l'État en direction du monde rural que nous écoutons au micro de notre correspondant Arounagnan. De matériel agricole en appui à nos producteurs dans la poursuite de nos efforts de modernisation de la filière agricole. C'est dans le même esprit qu'en avril 2018, ici même, dans l'enceinte du Grand Théâtre, j'ai procédé à la réception de tracteurs destinés aux producteurs rizicoles. De même, en juin 2020, nous avions remis plus de 700 unités de matériel motorisé subventionné à 100% en soutien aux femmes et aux jeunes dans le cadre du programme de résilience économique et sociale face à l'impact de la pandémie de Covid-19. D'autres appuis ont suivi naturellement. Il s'agit entre autres de 22 moissonneuses batteuses pour les riziculteurs de la vallée du fleuve Sénégal et du bassin de l'Anambé. Avec le lancement du projet d'appui à la valorisation des initiatives entrepreneuriales, le PAVI, centré sur la structuration des chaîne de valeur. L'ADER, qui pilote ce programme, collabore de façon admirable avec le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, ainsi que la Banque agricole, dont je salue le président du conseil d'administration, ainsi que le directeur général, afin de mutualiser nos moyens pour un impact encore plus significatif dans nos interventions nous euh, restons avec le chef de l'État qui, lors de cette euh, cérémonie de remise de matériel agricole aux producteurs, est revenu sur le projet d'appui à la valorisation des initiatives entrepreneuriales centrées sur la structuration des chaînes de valeur. En effet, nous avons pu mobiliser 5 milliards 200, dont 2 milliards par le ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural et une ligne de crédit concessionnel accordée par la DRFG et la Banque agricole pour 1 milliard millions et 750 millions de la Banque agricole. Ces ressources permettront en partie de soutenir 100 bénéficiaires ici présents répartis entre des fédérations paysannes, des coopératives et groupements d'intérêt économique qui pourront chacun disposer d'un tracteur neuf équipé. Le reste, soit 1,2 milliard millions mobilisés par la DRFJ sera affecté au renouvellement de petits matériels agricoles au profit de 600 petits producteurs. En outre, pour la campagne agricole en vue en 2021, l'ADER a mis en place une ligne de crédit de 15 milliards pour la filière Anacard, en plus de 3 milliards pour l'achat d'engrais et de semences. De plus, grâce au soutien de la Banque africaine de développement, nous avons acquis 29 tracteurs et 67 motoculteurs multifonctionnels dans le cadre du projet de valorisation des pour le développement des chaînes de valeur. Au Grand Théâtre d'Oudunjay Rose dans la capitale sénégalaise, le président Macky Sall à l'instant. Et puis une agriculture de résilience avec des cultures en toute saison. C'est ce que prône le maire de l'Admengue, docteur Makoum Djouf, par ailleurs directeur de l'horticulture, qui s'exprimait sur le sujet la semaine dernière lors d'une cérémonie organisée dans sa commune. Nous euh, l'écoutons donc au micro de Cher Babakar Ça rejoint notre vision qui de pratiquer l'horticulture partout, pour tous et par tous. C'est-à-dire à toute échelle qu'on puisse faire de l'horticulture. Que ça soit plus l'affaire de zones traditionnelles. Niaï, c'est vrai que les Niaï assurent 60% de notre production nationale. Mais c'est pas ça qui doit continuer. C'est vrai, il y a la vallée, il y a Tamba pour la banane. Est-ce qu'on doit se limiter à ça alors que l'horticulture est une activité de résilience Naturellement, vous faites le tour des villages, vous voyez autour d'un puits, c'est un périmètre de 500 mètres carrés, de 1000 mètres carrés. Les jeunes et les dames s'activent. Donc c'est ça que j'appelle la résilience. Donc c'est une activité naturellement de résilience pour les populations rurales. Donc on devrait démocratiser la pratique de l'horticulture au Sénégal. Et pour cela, ce que le Paris est en train de faire est indispensable. Il faut accéder à l'eau en toute saison. Ça me donne l'opportunité de non seulement confirmer ce que vous dites, mais donner des éléments sur les initiatives majeures en cours au niveau de l'État du Sénégal pour aider ce problème. J'ai l'habitude de dire que nous sommes victimes de nos performances. Nous sommes victimes de nos succès, parlant du sous-secteur de l'horticulture. Ne pensez-vous pas que c'est mieux d'arriver à ce résultat où on produit plus que nos besoins On devrait, vous me direz, parallèlement chercher la solution. J'y reviendrai à la conservation, mais en avant plus ou trop que de ne pas en avoir assez. Parce qu'on allait importer, enrichir l'horticulteur hollandais, belge ou français, gréver le budget des Sénégalais, c'est ce qui allait arriver. Donc le fait que le chef de l'État ait pris une politique hardie entre 2012 et maintenant, pour qu'on soit dépendant totalement de la pomme de terre, au point aujourd'hui de produire, d'être autosuffisant en oignons et en pommes de terre. Je sais bien ce que je dis. Numériquement, nous avons assuré la souveraineté alimentaire pour ces deux. Parce qu'on dépasse largement nos besoins. Maintenant, il faut bien que des efforts aussi importants soient faits, y compris par l'État, pour la conservation. Pourquoi je dis y compris par l'État. Ça ne devrait pas être l'État, ça devrait être l'affaire du secteur privé. Parce que les privés aujourd'hui ont chez eux 50 000 tonnes. Et nous euh, restons avec le directeur de l'horticulture qui appelle le secteur privé à investir dans une agriculture de résilience. Ceci pour le développement du secteur, pour la promotion du consommé local, mais aussi de l'autosuffisance alimentaire. Docteur Makumba Diouf, que nous réécoutons toujours au micro de Cher Babakar il y a un privé sénégalais qui a 50 000 tonnes de pommes de terre en magasin. Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris un crédit à la banque, il a donné son apport, il a dépensé 9 milliards pour réaliser des chambres froides pour 50 000 tonnes. à Tabaski. Et 4 mois après, il sera le seul à vendre de la pomme de terre pour 50 millions de kilos, c'est-à-dire 50 000 tonnes. À raison au moins de 350 francs le kilo. À vos calculettes, s'il vous plaît, c'est combien de milliards Tout à fait. C'est son job, monsieur. Pourquoi c'est son job Parce que créer des espèces sonnantes et trébuchantes dans ce secteur, c'est l'affaire des privés. Ailleurs où ça se fait, en Hollande, où ils ont une seule campagne horticole, en tout cas une seule campagne oignon. Et ils sont autosuffisants, ils vendent presque à tout le monde de l'oignon à travers le monde. Ils ont une seule campagne. Mais c'est des millions de tonnes qui sont gardées dans de grosses chambres froides et c'est pas l'État. Donc je renouvelle cet appel au secteur privé, surtout que l'État, à travers le code des investissements, je préside d'ailleurs le comité pour les productions agricoles au niveau national. On s'est réunis il y a seulement 3 ou 4 jours et en train de mettre à jour encore ce code d'investissement pour le rendre encore beaucoup plus lucratif, beaucoup plus incitatif. Mais il l'est déjà. Le code permet à beaucoup d'avantages pour le secteur privé, pour l'encourager à investir dans ce domaine. Maintenant, l'État ne s'est plus arrêté à ça. Parce que quand il y a des critiques, on ne critique pas le secteur privé, on oublie que quelqu'un n'a pas fait son job. On parle de l'État. Voilà pourquoi dans le cadre du programme national de l'horticulture, pour la période 2021-2023, dans le cadre du PAP 2 ans, validé par le chef de l'État en septembre dernier, il est prévu une enveloppe autour de 19 milliards de francs CFA dans le cadre d'un partenariat public-privé pour accompagner les privés pour réaliser ces infrastructures. Pour que désormais, on soit non seulement au plan alimentaire qu'on ait notre souveraineté, mais qu'on booste nos exportations y compris en Afrique, parce que nous sommes dans la ZLECAF quand même, 1 milliard 200 millions de personnes, où c'est plus facile d'exporter en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, que de le faire en Europe, où nous sommes déjà performants, parce que 60% de nos exportations vont en Europe. Ça veut dire qu'on est performant. Donc ça veut dire également qu'on a des produits où on a des avantages comparatifs. La Côte d'Ivoire prendrait bien notre oignon. On prendrait son café, son cacao ou son éveil, parce qu'on parle d'avantages comparatifs. Donc voilà pourquoi je pense que des initiatives comme ça, si on y adjoint la réalisation d'infrastructures de conservation, le pays va atteindre comme le chef de l'État le veut, la souveraineté alimentaire et nutritionnelle, mais aussi va émerger au plan économique plan économique euh, et puis agriculture, euh, toujours le mouvement panafricain, nous sommes la solution. Par la voix de sa présidente Maria Soumko invite les paysans à être autonomes mais également à collecter les semences, ceci pour bien préparer la prochaine saison des pluies. Écoutons-la donc au micro de Noabiaye. Collecter les semences paysannes qui nous permettront après la récolte du pouvoir prélever des semences pour la saison suivante précédent. Parce qu'aujourd'hui, tant que nous ne quittons pas de prendre ces semences hybrides ou OGM, nous ne serons jamais Donc, le conseil que j'ai à donner, malgré qu'on est en début d'hiver, c'est chaque paysan, selon les cultures de son terroir, on essaie d'identifier ou de rechercher les semences euh, locales avec lesquelles il peut produire, prélever des semences pour la saison suivante. Donc, je pense que notre grand souci en tant que mouvement, c'est vraiment d'amener les paysans ou agriculteurs à être autonomes semencièrement. Je pense qu'on n'a pas à se presser. Entre agriculteurs, nous avons l'habitude de s'offrir des semences ou de faire euh, des avec des semences. Donc, euh, si nous nous attenons à procéder ainsi, nous allons pouvoir petit à petit vraiment reconstituer ce capital semencier au niveau de nos barres. El Haji euh, Libas Mbaye euh, et place donc maintenant à la rubrique Apprendre ensemble autrement qui ferme aujourd'hui le chapitre consacré à l'État en 3 minutes 25 secondes. La leçon du jour avec le professeur de philosophie enseignant au lycée Val Valdiodio en l'occurrence M. Salif Koli. L'État est en cours la vie sociale. Mais quand on parle de l'État, on pense d'abord à la société. Mais qui dit société dit également territoire parce que le peuple en question ou la société en question évolue nécessairement sur un territoire bien délimité. Mais qui parle d'État parle également d'un certain nombre de lois et d'institutions. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans sa définition de l'État, André Land nous dit que c'est une société organisée ayant un gouvernement autonome et jouant le rôle d'une personne morale distincte à l'égard des autres sociétés analogues avec lesquelles elle est en relation. Tous dans la même lancée, Georges Bourdeau, dans sa définition de l'État, nous dit que c'est le pouvoir politique institutionnalisé. Donc, ce que l'on retient d'abord de la définition de la langue, c'est que dans l'État, il y a trois éléments constitutifs le peuple, le territoire et enfin le pouvoir politique qui repose sur des lois et des institutions. Par rapport à la définition de Georges Bourdeau, on retient seulement une chose, c'est-à-dire le pouvoir politique qui est essentiellement fondé sur des lois et des institutions. Donc, en faisant rapidement le parallèle entre l'État et la société, on voit que dans les deux cas, il y a une population dans les deux cas, il y a également un territoire, puisque la population, comme je l'ai dit à l'entente de mon propos, évolue toujours sur un territoire bien délimité. Mais à la différence de la société, l'État est fondé également sur un pouvoir politique institutionnalisé, pour reprendre les mots de Georges Bourdeau, c'est-à-dire un pouvoir politique qui repose essentiellement ou fondamentalement sur des lois et des institutions. Donc, on ne saurait parler d'État sans population ni territoire. On ne saurait pas non plus parler d'État sans faire référence, bien sûr, au pouvoir politique en question. Mais en tant que société, en tant que forme d'organisation sociale, l'État joue un rôle essentiel dans l'équilibre et dans la cohésion du groupe. Il joue un rôle essentiel dans les relations entre individus, puisque vous savez très bien que l'homme, même s'il n'est pas un démon, est loin d'être un ange. Ceci me fait penser un peu à trois théoriciens. D'abord Thomas Hobbes, qui considère que l'homme est un loup pour l'homme, en mettant bien sûr l'accent sur la méchanceté naturelle chez l'homme. Je pense également à Jean-Jacques Rousseau, qui s'inscrivant en faux par rapport à Thomas Hobbes, nous dit que l'homme est naturellement bon. Mais pour faire la synthèse des deux théories, je fais allusion, je pense bien sûr, à Emmanuel Kant, qui lui nous dit que l'homme n'est ni naturellement bon, ni naturellement mauvais, mais il est les deux à la fois, car il est caractérisé par l'antagonisme, c'est-à-dire l'insociable sociabilité. Pour dire simplement avec Kant que l'homme est tout aussi capable du meilleur que du pire. Il est tout aussi capable du bien que du mal. Un homme qui est tout aussi capable du meilleur que du pire doit donc être géré. Mais qu'est-ce qui permet une telle gestion Ce sont les lois et les institutions qui sont mises sur place dans le cadre de l'État. Et c'est par rapport à ces lois et ces institutions que l'État réussit effectivement à harmoniser les rapports entre individus de façon à ce qu'il y ait la paix et la cohésion au niveau du groupe. Donc, la paix ne saurait être effective indépendamment de l'État si l'on sait que l'État, c'est non seulement une population, un territoire, mais également un pouvoir politique qui repose sur des lois et des institutions. Sur ce donc, on peut considérer que l'une des fonctions de l'État, surtout lorsqu'on s'inscrit dans la perspective de Thomas Hobbes, c'est d'assurer aux populations la paix, la sécurité et la tranquillité. En s'inscrivant dans la dynamique rousseauiste, on pourrait également y ajouter la liberté, puisque Rousseau considère qu'il est impensable, n'est-ce pas, de renoncer à la liberté, puisque renoncer à sa liberté, nous dit-il dans le contrat social, c'est renoncer à sa qualité d'homme. Internationale, elle porte à 7 heures bientôt 50 minutes à Washington, 13 h bientôt 50 minutes en Afrique du Sud. La signature de nos partenaires de la Voix de l'Amérique. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa déclare que les troubles et les pillages ont été provoqués, planifiés et coordonnés. Il a fait ses accusations à Durban, dans le KwaZulu-Natal. Les violences ont fait 212 morts en une semaine. Le Niger a inauguré jeudi à Tilia, dans l'ouest du pays, près de la frontière avec le Mali, un centre d'entraînement de ses forces spéciales pour lutter contre les groupes djihadistes. internationale. Amnesty International a accusé l'Éthiopie d'avoir arbitrairement arrêté des dizaines de Tigréens ces dernières semaines au moment où les rebelles ont repris le contrôle d'une grande partie du Tigré. Parmi ces détenus figurent des militants et des journalistes dont certains ont été frappés et transportés à des centaines de kilomètres de la capitale fédérale Addis Abeba, affirme Amnesty. Selon l'ONG, beaucoup ont disparu et le nombre total de détenus pourrait se chiffrer en centaines. Les États-Unis vont expédier 25 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 en Afrique, ont annoncé vendredi à l'AFP d'euros responsables américains et africains. Les envois doivent commencer dans les jours à venir. Ce sont au total 49 pays africains qui vont recevoir des doses de Johnson Johnson, Moderna ou de Pfizer. Premier servi, Djibouti et le Burkina Faso recevront 151 200 doses de Johnson Johnson Johnson, tandis que l'Éthiopie recevra 453 600 doses, a précisé un responsable de l'administration Biden. Actualité internationale. Pékin a rejeté vendredi les critiques du directeur général de l'OMS sur le manque supposé de coopération de la Chine dans l'enquête sur l'origine de la pandémie de Covid-19. L'organisation fait face à une pression croissante pour une nouvelle enquête approfondie sur les origines du Covid-19 détecté à Wuhan fin 2019. En janvier, l'envoi en Chine d'une mission d'experts de l'OMS n'avait pas permis de faire toute la lumière sur le coronavirus qui a déjà fait plus de 4000 millions de morts à travers le monde. À une semaine jour pour jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, la capitale japonaise n'a toujours pas le cœur à la fête. Les cas de Covid-19 continuent de grimper. Le bilan des intempéries qui touchent l'Europe a atteint vendredi au moins 126 morts. La plupart des décès sont recensés en Allemagne où des secours continuent à rechercher les personnes disparues. La France est solidaire dans l'épreuve traversée par l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, touchés par des inondations qui ont fait plus d'une centaine de morts, a tweeté vendredi le président français Emmanuel Macron promettant l'aide de Paris. Actualité Euh, donc, le bonjour à lui, Moussa qui signe la page sportive de ce JP. Bonjour Randai Fatou et bienvenue dans cette page sportive que nous démarrons avec du football. Dernière journée du championnat, toutes les rencontres se jour à 17h. Jambar FC jouera contre Snaps Excellence à de Wad. AS Giraffe reçoit NGB d'Italie à Amadou Bari. Nyamour reçoit Génération Foot à Albouri Ndiaye. AS Douane reçoit Casasport à Ibrahim Boye, US Gorée reçoit Stade Mbour au stade municipal de Mbawa. Mbour Petite Côte reçoit Dakar Sacré-Cœur à Magnang Soumaré. Tengeche FC reçoit AS Pekin à Ngalandou Diouf. Pour la Ligue 2, les rencontres se joueront demain à 17h. Diamond de Fatik reçoit Amitié FC à Massène Seine. Thiès FC reçoit EG Fatigue à Magnang Soumaré. Renaissance reçoit Africa Promo Foot à Amadou Bari. Port reçoit Duc à Alassane Djigo. Sorakos reçoit Iezouakam au stade Elimanel Fall, Football Club reçoit Demba Diop à Ibrahim Boy et Cœur Major reçoit Linger à Fodé Wade. Finale Kosofa Cup victorieux du Mozambique en demi-finale hier sur le score de 3 buts à 0. L'Afrique du Sud, du pays organisateur, a rejoint le Sénégal en finale de la Kosofa Cup. La finale est prévue ce dimanche à 13h30 au Nelson Mandela Bay Stadium. Foot féminin à présent, Ligue des champions féminines de la Confédération africaine de football. Les filles de Dakar Sacré-Cœur vont partir participer au tournoi de qualification à la Ligue africaine des champions féminines qui débute le 23 juillet. Elles démarreront par le club libérien de Determines Girls Football Club. Le tournoi de qualification se jouera sous forme de championnat et mettra aux prises ces quatre clubs à Sao Vicente au Cap-Vert du 24 au 30 juillet. Vainqueur du championnat à une journée de la fin, Tenguech FC continue de recevoir les messages de félicitations. Le club basé à Rufus a reçu une lettre du président de la FIFA, Gianni Infantino. Mercato à présent libre depuis la fin de la saison. Le franco-sénégalais David Gomis a rejoint le PAO FC. Le club a officialisé l'arrivée de l'ailier de 28 ans hier vendredi. Landing Sagna va partir monnayer son talent en France, plus précisément en National 2 comme Amat Sissé, l'attaquant de l'AS Pekin qui va rejoindre Bourges Foot 18. Voilà NF ce qui referme cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. Excellent dessus de programme sur la 90.1. La revue de presse. De presse. L'Obs Pop Blast, Le Soleil sur le quotidien. Welf le matin. La revue des quotidiens sénégalais parue ce matin depuis l'immeuble cher Imam Hassan Sissé dans la cité religieuse de Medina Bay. À présent, donc, avec euh, Chef Tidiane Sarr. Bonjour. Flambée des cas de coronavirus, le Sénégal vers l'état d'urgence, prévient le quotidien LAS en manchette. Selon le journal, le président de la République a annoncé hier que si la tendance de l'augmentation vertigineuse des cas de coronavirus persiste, il va encore proclamé l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu. L'annonce du chef de l'État qui recevait le rapport du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la COVID-19 force Covid-19 est également relayé par le journal Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique qu'il a ajouté la menace d'instaurer des mesures de restriction si le besoin se fait sentir, si la situation l'impose. Nous reviendrons aux mesures que nous avions déjà connues par le passé, a-t-il averti. Reconfinement et couvre-feu face à la troisième vague. Maki prévient, titre le journal. Maki menace de faire revenir les mesures extrêmes, relèvent à son tour Vox Pop. Selon ce journal, le président Sall a averti en ces termes, si la situation l'impose, nous allons retourner à l'état d'urgence. D'après toujours ce quotidien, le président Sall a souligné qu'il s'agit là d'un rappel sérieux et que les gens doivent tirer la gravité de la situation et respecter les recommandations qui ont été émises pour contrecarrer la pandémie, détaillant l'annonce du président de la République. Le journal Le Quotidien, Le Quotidien précise qu'il envisage de décréter l'état d'urgence, la fermeture des frontières, l'interdiction des déplacements si la situation liée à cette troisième vague l'impose. Le journal ajoute qu'il invite les populations à redoubler de vigilance en respectant scrupuleusement les mesures barrières. Il rappelle que le Sénégal enchaîne avec des chiffres records de nouvelles contaminations, mais à la lecture de sa une, le journal Le Quotidien, Le Quotidien Quotidien semble rester sur sa fin pour la fermeté que devait avoir ce message du chef de l'État, menace de retour à l'état d'urgence, mais qui hausse le mouton, ironise le journal. Dans tous les cas, Walfadiri quotidien estime que cette menace de reconfinement est un pari risqué pour le chef de l'État en menaçant de reconfiner les Sénégalais si ces derniers ne respectent pas les mesures barrières prônées par le corps médical pour endiguer la progression. Il se met en danger avec le journal. Quoi qu'il en soit, ce quotidien note qu'au regard de la situation décrite hier par Dr Amindaou Fall, membre de l'Association des femmes merci du Sénégal, on peut en déduire que les patients meurent actuellement comme des mouches dans les centres de traitement des épidémies et dans les cliniques privées et c'est dans ce contexte que l'Observateur annonce l'ouverture de deux nouveaux centres de traitement des épidémies à Pékin et à Basnaou dans la région de Dakar. Revenant toujours sur la remise vendredi au chef de l'État du rapport du comité de suivi force Covid-19, le quotidien national Le Soleil évoque un exercice de transparence et de recommandations pour de meilleures stratégies de riposte. Parlons tout à fait autre chose avec ce drame survenu vendredi à la cité Belvedere à Dakar où un couple et leur fille de 11 ans ont péri dans l'effondrement de la dalle de leur maison d'après le journal Enquête. Autre actualité à lire dans les colonnes du journal Le Quotidien, Le Quotidien, acte d'incivisme à l'école le ministre de l'Éducation, Mamadou Tala, fait la leçon aux élèves. Sur ce, pour sa part, parle de l'arrestation musculée d'un voleur d'une chèvre à Touba, un policier victime de coups de machette. En sport, pour terminer avec le courrier record présidence Fédération sénégalaise de football, le consensus. Sabordé, Saher et Madi font sur Maître Senghor. Le quotidien Sunilam donne la parole au B-52 bombardier qui met en garde J'ai Jemi Kao, Tyson et Tchèque. Attention. Alpha FM 90.1 Et à 12h à la grande mosquée de Medina Bay et ici à l'immeuble cher Imam Hassan Sissé de nous émettons un direct du studio à moment à Lilo. Voilà donc que c'est ici que se referme ce journal. Tout de suite le rappel des titres cherté de la vie avec euh, l'augmentation généralisée des prix à de l'appel des euh, populations pour un changement qui va positivement impacter sur leur euh, quotidien pendant ce temps les jeunes quant à eux décrit une situation qui entrave sérieusement le projet d'entreprise. Les détails que vous avez suivis au courant de ce journal. Marché central de Kaulakala, met en œuvre une opération de désencombrement de la voie publique et suscite la colère des tabliers et autres marchands ambulants qui dénoncent ce qu'ils considèrent comme du sabotage en cette veille de la Tabaski. Vous les avez entendus. Et c'était euh, dès le début de ce JP. Vélingara, a quelques jours de la tabaski, des moutons disponibles sur le marché. Mais l'absence des clients qui se font désirer suscite l'inquiétude des vendeurs. Témoignage que vous avez entendu également dans ce JP. Le coronavirus au Sénégal, le communiqué du jour fait état de 1366 nouveaux tests positifs, dont 925 issus de la transmission communautaire. Dakar, 33 localités du pays concerné, dont Thiès 41, 12 à Touba, 7 à Kaolak. La rubrique Apprendre ensemble, autrement la revue de la presse, la page internationale, celle sportive, c'était donc dans la deuxième partie de ce JT. À la technique El Haji Libas Mbaye, 13 Rende vous retrouvera pour la version Wolof. À toutes et à tous, merci encore de nous choisir Bon après-midi, bon week-end et surtout bien des choses sur les ondes de la référence. Le journal